chers euh, auditeurs et téléspectateurs euh, des 52 radios et des 7 euh, télévisions partenaires du studio Kalango, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire du décryptage des faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. Cette semaine, les faits qui ont retenu notre attention, c'est d'abord la grève observée sur l'ensemble du pays du 27 au 28 février dernier par euh, l'intersyndicale des travailleurs euh, du Niger, euh, ITN. Ensuite, nous parlerons du verdict du 24 février dernier relatif à la tentative de coup d'État au Niger en mars 2021. Nous nous intéresserons également à l'élection de Bola Ahmed au Nigeria à la tête de la présidence. Enfin, nous terminerons avec la tournée africaine de quatre jours entamée mercredi par le président français Emmanuel Macron qui visite euh, au cours de ces quatre jours l'Angola, la République démocratique du Congo, le Gabon, mais également le Congo-Brazzaville pour euh, analyser ces différents sujets. J'ai le plaisir de recevoir les confrères Maïmoune Gado, journaliste euh, indépendante, Gary Amodou, journaliste euh, au quotidien Mouria et La Nation, et Hussein Issa Jubo, journaliste indépendant également, à la modération du forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Deji. Nous débutons le forum de la presse de ce soir euh, avec euh, ce arrêt de travail observé sur l'ensemble du pays du 27 euh, au 28 février dernier par l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui regroupe quatre centrales syndicales. Dans son préavis de grève en date du 20 février 2023 adressé au ministre en charge du Travail, l'ITN a adressé la liste des attentes immédiates des travailleurs nigériens auxquelles elle exige du gouvernement satisfaction. Il s'agit notamment de l'harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires et la revalorisation du SMIG, la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé à travers un plan de recrutement sans concours, le règlement définitif des arriérés des rappels salaires et les incidences financières liées au redressement et avancement des agents de l'État et l'octroi de la prime de départ à la retraite pour compter du 1er janvier 2019. Il faut rappeler que les 25 et 26 janvier 2023, l'ITN avait déjà observé une grève de 48 heures. Mais Mundiado, pourquoi cette euh, persistance du bras de fer entre le gouvernement et l'ITN euh, Merci Michel. Euh, cette persistance, euh, euh, en tout cas entre les deux parties, si je veux bien le dire, entre l'ITN et le gouvernement, c'est parce que tout simplement, si aujourd'hui l'ITN s'est engagé dans à faire sa lutte en faisant les grèves, c'est parce que tout simplement, jusque-là, le gouvernement n'a pas répondu à, à, ses doléances, à ses points de revendication. Et ça veut dire que tout simplement, jusque-là, le gouvernement qui devrait peut-être appeler l'intersyndicale des travailleurs pour pouvoir négocier, voir ce qu'il y a lieu de faire, peut-être euh, même si on ne peut pas prendre en compte tous les points de revendication, je suis sûr qu'en les appelant à la table de négociation, ils peuvent s'entendre. Maintenant, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas le bras tendu donc de, ce gouvernement mhm. vers l'intersyndicale des travailleurs que l'intersyndicale des travailleurs aussi est en train de montrer qu'il y a euh, une manière peut-être de faire fléchir le gouvernement, mm-hmm. c'est euh, d'opter pour la grève. Parce que la grève, c'est un droit quand même. Invité par euh, le président de la République, il y a eu des échanges euh, et après, euh, l'UTN avait quand même décidé de maintenir le premier mot d'ordre de grève. Qu'est-ce qui n'a pas marché en Mais c'est parce que tout simplement, en réalité, quand ils ont été reçus d'abord par le président de la République, mhm. c'était pas pour parler des doléances, des points de revendication de mhm. ces centrales syndicales. C'était juste pour leur dire, selon syndical des travailleurs, mhm. pour leur dire que ils n'ont pas, en tout cas, euh, cette possibilité de leur donner satisfaction rapidement par rapport à ces points de revendication. Donc c'est pour les informer. Pour les informer mhm. et non pour pouvoir trouver une solution rapide. Et, dans ce cas, l'intersyndicale, euh, l'ITN, s'est senti frustré euh, d'abord et a, jugé que d'abord c'est l'intersyndicale l'ITN qui avait déposé un préavis de grève et non la CDTN qui l'accompagnait. Mhm. La CDTN aussi était conviée <laughs> de la même manière que l'intersyndicale des travailleurs. Mmh. Et ils, se sont dit que, bon, puisque c'est comme ça et qu'on n'a pas trouvé un terrain d'entente et qu'on nous a tout simplement conviés pour nous dire que voilà, nous ne pouvons pas vous satisfaire, donc satisfaire les points de revendication que vous voulez. Mm. Donc, dans ce cas, l'intersyndical a jugé d'aller en grève. Et aujourd'hui, c'est une deuxième euh, série de grèves. C'est une série de grèves. Mm. Euh, le 27 et le 28 également, c'était une grève qui a été lancée de 48 heures. Mm. Maintenant, <laughs> jusque-là, euh, le gouvernement n'a pas encore daigné appeler euh, l'intersyndicale pour négocier. Hmm. Et je suis sûr que l'intersyndicale maintient sa position, c'est euh, d'aller justement encore une fois de plus en grève, certainement. Je le dis pas, mais je sais que certainement c'est ceux qui se préparent. Donc, moi, tout ce que je voudrais, c'est que euh, on essaie de trouver, d'aller dans le consensus, hmm. de trouver, euh, d'aller vers le dialogue, hmm. de, voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'il faut faire, Qu'est-ce qui ne, peut pas être faisable tout de suite Le gouvernement a la possibilité quand même de répondre à certains points de revendication de l'intersyndicale des travailleurs. Et de l'autre côté, c'est vrai, c'est des engagements. Et quand on prend des engagements, quand on respecte pas les engagements aussi, mhm. c'est ça que ça, ça, nous ramène à la case de départ. Il ne faut pas que le gouvernement prenne des engagements et que ces engagements ne puissent pas être satisfaits. On est, ils ont dit que c'est des engagements qui ne datent pas d'aujourd'hui, des engagements que le gouvernement a pris depuis 2012, si j'ai bonne mémoire, et jusqu'à présent, ces, engagements ne sont pas encore satisfaits au niveau des travailleurs. C'est tout ce qu'ils demandent, que les engagements que l'État a pris en 2012 soient aujourd'hui concrets. Merci beaucoup, Gaga Modou. Euh, outre ces engagements, il y a d'autres doléances euh, des années 2019-2020 qui parle également de réduction des prix du gasoil et de l'essence, de l'abattement de l'ITS, mais également une réduction des prix des produits de première euh, nécessité sur l'ensemble du pays. Que représentent euh, toutes ces doléances des travailleurs pour les consommateurs nigériens oui, mais c'est, moi je pense que ce sont des doléances qui sont justes. Euh, je l'ai dit ici sur ce plateau, bien avant même que le mouvement syndical ne commence à se réveiller, j'avais dit que, il que la vie est chère, il appartiendrait au syndicat de se battre pour que euh, les salaires soient augmentés, n'est-ce pas euh, Que, en tout cas, la situation des fonctionnaires soit s'améliore. moi, dans tout ce que j'ai entendu, il y a quand même un motif d'espoir parce que je crois que même elle-même l'a dit, quand le président a rencontré les syndicats, il leur a dit qu'il y a des points qui ne peuvent pas être satisfaits mmh. rapidement. Ça sous-entend quoi Ça sous-entend que le gouvernement reconnaît le bien fondé de beaucoup de revendications de ces structures syndicales-là. Mmh. Mais il, parle de c'est pas possible dans l'immédiat. Mmh. Mais sur le principe, je crois que le gouvernement est d'accord qu'il y a des choses à faire dans toute, sur toute la, plateforme de revendicative. Il appartiendra maintenant aux syndicats, maintenant, de, de, voir, en tout cas, de, c'est-à-dire que le but, pour que les situations ne soient pas figées, mhm. ce n'est pas le syndicat l'ITN qui va attendre qu'on l'appelle, non. Euh, il faut aussi engager des démarches. Je vais dire par la l'ITN, c'est l'intersyndical, n'est-ce pas Demander une audience avec le ministre de la fonction publique. Voilà, demander, c'est-à-dire, c'est pas une affaire. Parce que pour aller en grève, ils ont écrit un préavis non, de grève. Oui, je sais, je sais tout ça Je sais tout ça Moi, je sais, moi, ce mhm. que je sais, c'est que de deux côtés, il y a des bonnes prédispositions mhm. pour aller vers, en tout cas, euh, un consensus pour trouver le truc. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire du jusqu'au boutisme. Hmm. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire vouloir dire que si on ne fait pas ça, euh, nous, on ne va pas accepter. Ah non. Hmm. Déjà, quand on part déjà en négociation avec des idées arrêtées, avec des, des, des revendications figées, qu'on pense que, parce qu'après avoir, parce que l'ITN, avant de partir sur la table de négociation, elle, elle, elle, elle consulte les autres centrales syndicales qui la composent. Mhm. Vous comprenez Donc, elle, consulte avant de, et adoptent une stratégie. Eh bien, c'est là où se trouve le problème. C'est le moment où on adopte la stratégie-là, que déjà les germes de l'échec des négociations sont jetées. Parce ça que faut faire des concessions. Bien sûr. Non, mais il faut faire des concessions. Et puis, Au faut niveau pas des deux parties, c'est ça. Il faut pas faire du mhm. jusqu'au boutisme. Il faut vraiment créer les conditions pour que, quand on va aller, vraiment, nous-mêmes, nous savons que, par exemple, quand la, sur la plateforme euh, euh, euh revendicative de l'ITN, l'ITN sait très bien, il y a des choses qui ne seront, qui seront pas possibles immédiatement. Elle le sait. Mhm. Même sur, sur ce qu'elle a listé là, elle connaît. Et bien sur ces choses là, eh bien, on se dit, bon, voilà, entendons-nous bien, euh, voilà, quand on va aller, je sais que le gouvernement, sur ça, ça, ça, là, il va, c'est pas, évident. Donc, ne forçons pas trop, essayons de trouver, au moins pour le moment, quelque chose avant de, pouvoir avancer. Mhm. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup. Ousseinissa, est-ce que vous convenez que c'est cette euh, démarche qu'il faut adopter au niveau des responsables de l'ITN? il y a eu quand même une coalition large, 14 centrales syndicales pratiquement. oui. Oui, des, centrales syndicales, qui, ont décidé de soutenir l'ITN les centrales mhm. syndicales qualifiées de non représentatives qui ont mhm. rejoint l'ITN, mhm. plus le collectif des syndicats des commerçants et des agents de transit. Bien sûr. C'est tout un collectif qui est là. et la dernière fois, oui, bien sûr. Alors, l'ITN a juste porté comment diriger le. C'est l'ITN qui a fait le préavis de Bien sûr, parce que c'est l'ITN qui, est, qui interlocutrice du gouvernement depuis les élections professionnelles. C'est l'ITN qui, comment dirais-je, les centrales syndicales les quatre centrales syndicales représentent déjà, sont parmi les cinq premières centrales syndicales. Il faut déjà préciser ça. Mhm, et l'autre aspect sur lequel, parce que tout à l'heure j'ai entendu Gary dire, en réalité, il ne s'agit pas d'aller négocier, mhm. n'est-ce pas C'est des revendications sur lesquelles l'ITN et le gouvernement se sont entendus. Mhm. les quatre points préalables, parce qu'il y en a quatre. C'est un dossier que je suis régulièrement. Quatre. Notamment, comment dirige par rapport au SMIC, par rapport au recrutement, n'est-ce pas progressif des, contractuels de l'éducation et de, la, santé. il y avait aussi, comment dirais-je, c'est par rapport à des questions d'avancement, de mhm. rivalisation, comme avait dit euh, la page, tout, et mhm. tout. Le gouvernement s'est entendu pour régler ces problèmes-là. Il y en a des revendications, c'est depuis pratiquement 2012. Mhm. Il y a eu au moins trois ou quatre protocoles d'accord qui ont été signés et toutes ces revendications sont revenues dans ces protocoles. Quand on regarde un peu de 2012 à aujourd'hui, ça fait combien d'années mm. Ça fait pratiquement 10 eh, ans, un peu plus de 10 ans. Il y a des nouvelles autorités qui sont là il y a un peu moins de moi deux je ans. Qu'est-ce qu'il faut faire je, actuellement Je, mm-hmm. considère que non, on ne parle pas de nouvelles autorités. Mm. L'État L'État étant une continuité, n'est-ce mm-hmm. pas Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Ce qu'il y a lieu de faire. Moi, j'ai dit, je me dis, mm-hmm. vous savez, le dilatoire là, c'est pas bien, parce que si ça prend une autre dimension cette grève là, la dernière fois, on a vu ce que ça a donné. Ça a marché, quoi qu'on dise, mm. n'est-ce pas Et prochainement, les, commerçants ne sont pas entrés dans la danse. Parce qu'ils sont venus juste au moment où le mouvement était déjà enclenché. Mm-hmm. Sinon, ils sont solidaires de ce qui a été, comme avait dit, ce qui a mm-hmm. été fait. Mais la prochaine fois, certainement qu'ils vont être dans la danse, n'est-ce pas Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Voilà des engagements que vous avez eu à prendre. Faites l'effort faites l'effort de les régler. Parce que ne peut pas traîner des problèmes ou des, des, comme avait des désengagements mhm. pendant l'éternité. N'est-ce pas mhm. Quand il y a, même si vous n'avez pas, s'il y avait eu un minimum de volonté, moi je suis convaincu qu'on ne serait pas là encore avec ces engagements-là. Mhm. N'est-ce pas c'est parce qu'il n'y a pas simplement eu de volonté. Il, faut y a eu des négociations. Oui, la, volonté, quoi qu'on dise, la volonté, parce que bon, je sais un peu pourquoi les syndicats ont été un peu pendant longtemps, ils n'ont pas voulu mettre la pression à travers des grèves. On n'a pas connu de grève générale. En 2011, après la lutte qui s'est opérée, il y a eu des réunions au cours desquelles il a été question parce que l'ITN à l'époque était pratiquement été dirigé par euh, la CDTN. Hmm, c'était les éléments de la CDTN qui étaient pratiquement hmm. les meneurs qui étaient devant. Hmm. Après, quand il y a eu les élections professionnelles, c'est ça, 2019, pas 2009. 2019, quand il y a eu les élections professionnelles, parce que pour aller aux élections professionnelles, l'ITN s'est un peu disloqué. Maintenant, après les élections professionnelles, il fallait reconstituer l'ITN n'est-ce pas, avec les anciennes centrales syndicales les, qui, qui, étaient là. Les quatre centrales syndicales qui font l'ITN aujourd'hui, plus la CDTN, mais la CDTN a joué au dilatoire. Mhm. N'est-ce pas Pour ne pas être avec... si on vous a bien compris, il faut donc des efforts pour Oui, les efforts, moi je dis quelque part, moi je ne veux pas faire, comment dire, la langue de bois. Les efforts, ça doit être de l'autre côté. Vous avez des partenaires sociaux, oui. Quand vous dites... Euh, mais mhm. si on vous a bien compris. Maïmoun Diado, il faut terminer juste, pour. Juste que je voulais. Euh, tourner cette page. Je voulais, dire que l'ITEN mhm. avait été reçu par le ministre du Travail. Mhm. Donc, ça veut dire que oui. Si, quelque chose avait marché, pas, n'avait pas, en fait, cette idée d'aller en grève. Mais ça veut dire que ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti au niveau du ministre du Travail, donc qui devrait être le relais au niveau, bien sûr, du comité ministériel, interministériel mhm. des négociations. Donc, voilà Mais si on a bien compris donc le problème, puisque... Il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, en fait, juste en quelques mots. C'est-à-dire que, bon, j'ai entendu qu'il y avait une plateforme, il y a une, des revendications qui date de 2012. Hussein a dit que euh, euh, euh, les syndicats n'ont pas fait la grève depuis 2012 jusqu'à jusqu'à récemment. Oui, oui, mais... <laughs> donc, si, je peux dire que si les choses se sont éternisées, c'est la faute de ces syndicats là qui n'ont pas fait la grève, qui n'ont pas en tout cas mis la pression pour que ça soit réglé. Si ça a traîné depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, c'est leur faute. Ils ont peut-être attendu une stabilité. Ah non non non, non. c'est pas comme ça qu'on fait. Avec les nouvelles autorités. Oui, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais en fait, merci. Et, puis autre chose aussi, pour finir, euh, euh, euh, c'est pas que je me réjouis, hein, mhm. mais la grève ça n'a pas marché en fait. <laughs> Ça n'a pas marché. Peut-être qu'ils vont s'organiser pour la prochaine fois, mais ceux qui sont qu'on a vu, Bon, ça, c'est votre pas... avis. En tout cas, c'est ce qu'on a. Non, non. Certains disent que ça a marché, ah, oui, d'autres a que. peut-être la uh-huh. grève selon ce que les gens racontent, parce que les gens, les gens peuvent aller de, ah, leur appréciation. C'est pas que je me C'est pas parce qu'il y a les conducteurs de taxi qui sont en ah, ville et autres là. Mais, oui. Oui, certains dit qu'ils n'avaient pas l'information. Il y a des services étatiques qui ont fermé. Voilà. Pratiquement. si chacun a pu en tout cas constater cette grève de 48 heures qui avait donc été lancée par euh, l'ITN les 27 et 28 février dernier. Nous passons donc euh, au second sujet du forum de la presse de ce soir. Le tribunal militaire a rendu public son verdict le 24 février dernier dans le procès des auteurs de la tentative de coup d'État de mars 2021 au Niger. On a enregistré 27 euh, condamnations. Il y a eu des relax euh, parmi les condamnations. Il y a eu 5 condamnations à vie. Il y a eu des condamnations de 20 ans, de 10 ans, de 5 ans. Qu'est-ce qu'il faut retenir euh, de ce verdict tombé vendredi dernier au mhm. Dès le départ, on savait que ça allait déboucher sur des condamnations, bien évidemment. C'est mhm. Ce qu'on ne savait pas, qu'il puisse y avoir des relaxes. Certains n'avaient pas cru au coup Mais justement, mais justement, jusqu'au procès, je mhm. vous dis, jusqu'au procès, il y a toujours le flou. On a condamné, mais il y a toujours le flou. Il y a quand même des choses auxquelles les gens se sont attendus. Quand on a vu un peu comment les choses, parce qu'il y a des témoins qui n'ont pas pu comparaître ou carrément on a décidé qu'ils ne comparaissent pas, mm. dans le cas d'un procès, on doit pouvoir faire en sorte que la lumière jaillisse. Tous ceux qui vont être cités en matière de procès, mm. surtout de cette nature, on doit pouvoir laisser, en tout cas faire venir tous ceux qu'il y a comme témoins qui ont été cités. On a vu comment les choses ont été quelque part. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de qui sont restés sur leur fin n'est-ce pas Et même quand les éléments qui étaient dedans, qui ont relaté comment les choses se sont passées, ça a encore davantage confirmé certaines dans leur conviction que véritablement, jusqu'ici, est-ce que c'est véritablement un vrai coup d'État ou un faux vrai coup d'État Il y en a beaucoup qui se posent la question. C'est quand on parle d'armes blanches, de balles blanches, de ceci, de cela, que les gens sont restés sur leur soif par rapport à ce, procès. Les personnes qui ont utilisé ces munitions ont d'ailleurs été condamnées à verser 20 millions de francs CFA à l'État dommages, et euh, intérêts. pour dommages et intérêts, puisque mhm. ces munitions ne devraient pas être mhm. Mhm. utilisées, selon la justice en tout cas, dans le cadre de cette tentative de putsch euh, reprimée par la loi. Maïmoun Diado Comment le verdict a été accueilli et euh, quelle est votre euh, analyse euh, à ce sujet Véritablement, Michel, concernant le verdict, je n'ai pas grand-chose à dire puisque mhm. je n'ai pas trop suivi mhm. l'affaire, honnêtement. Mais comme l'a dit Husseini, il fallait s'attendre, il fallait s'attendre, il fallait que des têtes tombent aussi. Il fallait <laughs> qu'on fasse un jugement, qu'on passe mhm. un jugement et le verdict est là. Il y a ceux qui ont écopé de 20 ans d'emprisonnement moins de 20 ans euh, d'emprisonnement. Il y a des emprisonnements à vie mhm. pour euh, ceux qui n'ont pas pu comparaître, qui devraient comparaître et qui mhm. n'ont pas été, été là pour justifier en fait euh, ce qu'on leur reprochait. Mhm. il y a ceux qui doivent payer des amendes et qui ont été également relaxés. Donc moi je me dis que ce que la justice nigérienne a fait, c'est la justice nigérienne. On ne peut pas aujourd'hui aller au-delà de ce que nous avons vu, de ce que <laughs> on nous a donné, en tout cas comme mhm. verdict. Mais ce que on sait, c'est que jusque-là, euh, même après le verdict, des Nigériens sont dans le doute. Hein. ils n'arrivent pas à à se situer véritablement si oui ou non il y a eu coup d'État ou tentative de coup d'État. Mhm. Donc c'est ça. Merci. Dans tous les cas, c'est une décision de justice, vous l'avez dit. Et les décisions de justice s'imposent euh, à, tous, et au pouvoir public et aux citoyens. Mais Gary, comment euh, les citoyens accueillent cette décision D'abord, avant de parler de comment les citoyens ont et les concernés également, bien sûr, puisque vous avez suivi. Moi, j'ai suivi, le procès depuis mhm. je partais, parce qu'il faut le dire, c'était un procès public, mhm. n'est-ce pas la salle qui n'arrivait pas à contenir les gens, on a mis un baff dehors pour que les gens puissent entendre les choses. J'ai suivi tous ceux qui, tous ceux qui ont été condamnés là, je les ai mhm. suivis un à un. J'ai suivi des gens avoués l'opération. En réalité, ceux qui ont été relaxés là, ce sont les soldats qu'on a trompés, que leurs supérieurs ont trompés. Parce que le jour de l'affaire, la nuit du 30 au 31 mars, mhm. on leur a dit il y a une mission pour sécuriser la ville de Niamey dans le cadre de l'investiture du président de la République. Mhm. C'était ça qu'on leur a dit. Ils étaient contents parce qu'il y avait des perdièmes. Mhm. Il y avait un soldat dit que c'est une chance qu'on l'ait choisi. Il a même pris son lit Et c'est quand ils sont arrivés vers le palais que leur chef là leur dit de tirer sur le palais. Et c'est pour ça que ça, a fini en débandade. Parce qu'il y en a qui ont tiré une fois et qui ont jeté leur arme, qui ont fui. Ils connaissent le palais, le palais présidentiel. Ils savent la puissance de feu. Et il y a un des protagonistes qui leur a dit que le commanditaire de l'affaire leur a dit que quand ils vont arriver vers le palais, ils vont avoir des renforts. Des renforts qui vont venir de al et qui vont venir de Dosso et d'autres de Tilaberi. Donc quand ils étaient partis là, c'était en pensant que dès que ça va commencer là, ces renforts-là vont prendre le relais. Et ils ont dit qu'il il y, avait des complices qui, allait les aider. Tout ne s'est pas parlé. Et ça, ça a fini en débandade, les gens ont fui. Moi, je suis vu l'intervention de Gourouza. Gourouza a dit Je suis là pour dire la vérité, je n'ai rien à cacher. J'avoue que voilà ce qu'on voulait faire. Parce qu'il a expliqué pourquoi, sa frustration concernant la base qu'il dirige. Le comportement des, militaires français qui se comportent comme si c'est mhm. dans leur truc, c'est une des choses qui l'a révolté. Il y a le lieutenant Marou qui dit que lui, il voulait coûte que coûte empêcher à ce que le nouveau président puisse prêter serment. Hmm. Donc tout ça, là, moi, je ça. C'était à moins de savez, de la prestation de bien sûr, de Bazou Mohamed. à eh, cause de ça, certains disaient que bon, peut-être c'était euh, mais, c'était un truc, c'était, <laughs> c'était un truc qui était préparé, mais eh, apparemment, il y a quelque chose qui n'a pas marché au dernier moment. Mm-hmm. Et les gens sont partis au, charbon. Et ils n'ont pas eu les renforts qu'ils ont. Et ça, ça a fini en débandade. Mm-hmm. Et les gens ont détalé. Et surtout les hommes de troupes qui était censé mener la Chigaré, c'était donc une vraie tentative, selon en tout cas les différentes déclarations, puisqu'il s'agit là de déclarations. Maintenant, il y a une justice qui est là, il y qui s'agit pas, il s'agit pas, parce que tout ce qu'on doit mm-hmm. faire, il faut faire attention. Mm-hmm. Il y il faut savoir que le réquisitoire du ministère public, mm-hmm. n'est-ce pas, surtout pour ceux qui ont eu 20 ans, le réquisitoire n'a pas été suivi. Mm. Le ministère public a demandé 30 ans le ministère public, il est parti au procès. Mais il a demandé 30 pas la ans. décision. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. la justice, mm-hmm. non, je veux que les gens comprennent. Et toi, tu comprends ce que je veux dire. Mm-hmm. C'est-à-dire que le réquisitoire n'a pas été suivi. Mm-hmm. Le ministère public, c'est lui qui représente l'État. L'État a demandé 30 ans. Eh bien, la justice n'a pas donné 30 ans, elle a donné 20 ans. Et les soldats qui, la preuve, euh, tous ceux qui, ont suivi le procès ont compris que les soldats ne savaient pas pourquoi on les a été relâchés. Ceux qui ont eu la condamnation à perpétuité, c'est sont ceux qui ont fui les cinq là, mhm. qui sont partis à l'extérieur, qui ont fui, qui ont détalé, ils ne sont plus revenus. On les cherche, on ne les trouve pas. Et donc, eux, euh, ils sont condamnés à, la, peine maximale. Mhm. Ce qu'il faut souhaiter, ce, que, ce, euh, ce qui a été dit lors de ce procès-là, le militaire, son rôle, n'est pas de faire le coup d'État, de tirer sur, la, les civils. Non, non, non. Mhm. Son rôle, c'est de faire la guerre. Aujourd'hui, on est dans une période de lutte contre le terrorisme de grâce, les militaires cessaient de regarder vers le palais, regarder vers la brousse. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Mhm. Regardez vers la brousse, on a des soucis là-bas. Voilà. Merci beaucoup. C'est donc euh, l'avis d'un journaliste qui a suivi de près ce procès qui s'était déroulé donc euh, à Niamey au niveau du tribunal euh, militaire. C'était au niveau de la gendarmerie à Quartier dans la région de Niamey. Donc, nous allons à présent nous intéresser à l'actualité hors de nos frontières et c'est pour aller au Nigeria où la Commission électorale nationale indépendante euh, INEC a proclamé mercredi les résultats de l'élection présidentielle du 25 février dernier. C'est le candidat du parti au pouvoir, Bola Ahmed Tinubu, qui a été élu. Il a été donc déclaré vainqueur à travers cette euh, proclamation de scrutin avec près de 9 millions de suffrages contre près de 7 millions de suffrages pour le candidat de l'opposition, Atiku Abubakar. Le nouveau président élu, Bola Med, a déjà reçu les félicitations de plusieurs chefs d'État africains et d'ailleurs, dont le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Hussein quelle analyse vous suscite euh, cette euh, élection L'analyse de Bolamed. Euh, Je ne suis pas du tout surpris outre mesure. Je sais comment ça se passe dans nos pays. Mhm. Le plus souvent. Non, c'est la réalité. Il faut aller en Afrique, en Afrique un peu australe pour voir des élections propres. Chez nous, on sait comment ça se passe. Tu parles de candidat de l'opposition. Au départ, le candidat de l'opposition était en large avance, n'est-ce pas C'est à la dernière minute que la situation a, tourné. Mhm. Et les gens, moi j'ai vu des images de ces élections où il y a des endroits où carrément. l'opposition conteste euh, ce scrutin. Mais bien évidemment. Mais de l'avis des observateurs. Mais, te plaît, je n'aime pas entendre parler des observateurs. Mhm. C'est des faux types, les observateurs. Je le dis et je le maintiens. Que ce soit la CDAO, que ce soit les autres, c'est des faux types. Mhm. Ils observent mal. Et les chefs d'État qui ont commencé à féliciter. Non, non, mais bien évidemment, sur les, comment on appelle, sur le syndicat c'est Boari qui c'est Karma, le, dauphin de Boari qui arrive. Mhm, c'est la continuité, n'est-ce pas Ils avaient monté ensemble le parti. Oui, mais mhm. ils, avaient euh, ensemble, Boari a tout fait pour qu'il soit, ce soit son dauphin. Mhm. Bien évidemment, ça n'a pas été. Euh, vous savez, quand vous organisez les élections, surtout quand je parle de l'Afrique, je parle surtout de l'Afrique de l'Ouest, un peu de l'Afrique centrale. Dans ces pays, ce n'est pas véritablement des élections qu'il y a c'est des simulacres. C'est des simulacres. Il faut aller dans les pays comme l'Afrique du Sud, comme la Zambie. C'est là où il y a des élections propres. Un peu, même le Ghana qui était à l'époque clean en matière d'élection, même le Ghana est en train d'être gâté à cause du fait de, de, son machin dans la CDAO. N'est-ce pas mhm. Alors, voilà la situation. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a une désaffection de plus en plus. Parce que, même quand vous avez vu avant, comment dirais-je, avant, avant, avant, avant, avant le, le, scrutin, les critiques contre le régime de, de Tout le monde, pratiquement, ceux qui ont contribué à amener Boari, ils ont tous déchanté. Ils voulaient un changement, mais euh, le paradoxe, c'est que le problème en Afrique ou en Afrique de l'Ouest, quand vous êtes au pouvoir, vous allez tout faire pour que celui que vous avez désigné là puisse rester au pouvoir. Malheureusement, c'est comme ça. Quand on regarde un peu la cartographie des élections un peu en Afrique, mm. c'est le constat qui se dégage. Le seul pays, j'ai dit, où il y a des élections, c'est un peu l'Afrique australe vers la. Merci euh, Hussein ça, ce qui veut dire que vous ne croyez même pas à la crédibilité de ces élections. non, élections. Je peux pas, je peux pas, mm-hmm. je peux pas <laughs> croire. La précipitation avec laquelle les résultats étaient. Il y avait combien de millions d'électeurs, mm-hmm. n'est-ce pas Et le système même de comptage qui était un système au départ qui devait être... Le système, c'est de traquer. On dit on ne peut plus continuer Mais si savez ça, il faut préciser Alors Nigeria... ça devait être... Et comment vous dit Ça, mhm. devait être huilé pour que des problèmes ne se posent pas pendant le décompte des voix. Mhm. en tout cas, selon la commission électorale du Nigeria, c'est qu'il a remporté ces élections puisqu'il répond à tous les critères pour passer dès le premier tour parce que là-bas, il ne faut pas avoir la majorité des suffrages. il faut être en première position et avoir au moins un quart des suffrages dans 25 États. Donc, euh, alors qu'ici, il faut avoir la majorité, mm. c'est-à-dire avoir au moins 50% des suffrages. Parce que quand on regarde ici, les élections au Nigeria, si c'est ici au Niger, on allait faire un deuxième tour euh, inéluctablement. Mais aujourd'hui, concrètement, Maïmoun Diado, quels sont les défis qui se posent au nouveau chef euh, d'État, puisqu'on a l'impression qu'il tend la main à l'opposition, il demande le dialogue pour sauver le pays, ah. donc euh, avancer ça a Toujours été ainsi. Quand un président, sait que euh, il est contesté de toutes les mille manières, la première des choses à faire, c'est de tendre la main à mhm. l'opposition pour venir. Euh, pour pouvoir sauver le pays. C'est ce qu'ils disent, non hmm. Bon, sauver le pays, il sait qu'il doit sauver le pays. Parce que l'insécurité, en tout cas, est ancrée au niveau donc, du, Nigeria. Hmm. Ce n'est pas du tout facile. Et aujourd'hui, il y a l'économie aussi qui est à peu près par terre au niveau donc, de, euh, du Nigeria. Hmm. Il y a pratiquement... Euh, rien ne marche je ne dis pas rien, mais presque rien ne marche au Nigeria. Hmm. Donc il doit relever tous ces défis-là. Et la première des choses, dans un pays, si l'insécurité, là, s'il n'arrive pas à faire face à l'insécurité, là, déjà, c'est un autre problème. Hmm. Moi, je suis sûr que sa première préoccupation, ça sera l'insécurité l'insécurité comme priorité. Euh, comme priorité, puisque c'est ça qui affecte nos mhm. pays qui sont ici de l'autre côté. Merci. Gaga Amadou, quand on parle d'insécurité, on a une longue frontière avec le Nigeria. C'est d'ailleurs l'un des pays voisins les plus importants. Quel doit être l'avenir de cette coopération nigéro-nigériane avec euh, le nouveau président élu, Bola Ahmed euh, je pense que comme c'est vraiment le, le, le, du même parti que Buhari, c'est le vraiment le, le dauphin de Buhari qui est arrivé au pouvoir. Moi, mhm. je, m'attends à ce qu'il y ait de la continuité dans les relations entre le, Niger et le Niger. Mhm. Euh, ce que je souhaiterais, c'est que la question sécuritaire soit mieux, gérée parce que ici sur ce plateau, la semaine dernière, nous avons relevé que c'était vraiment le talon d'Achille d'Ahmed Buhari. Mhm. euh, le fait qu'il n'a pas réussi, lui qui était un ancien militaire, a réussi à gérer la question sécuritaire. Alors voilà le, le vieux parce qu'il est fatigué quand même, Bola. pas, il est fatigué. Bon, je sais pas comment ça va se passer, mais euh, Bon, on va voir comment est-ce que la situation sécurité... Un militaire n'a pas pu gérer. Il a une gestion oui, mais attention. qu'il était gouverneur. Euh, moi, je suis pessimiste sur la question sécuritaire. État, l'État de Lagos, il a fait la migration. Ah, euh, il connaît beaucoup. L'État, de... Ah, mais attention, l'État de Lagos qu'il a perdu. <laughs> Oui, c'est vrai. Il y a eu des accusations. déjà, oui, l'État de Lagos qu'il a perdu au mhm. profit de Peter Obi. Mhm. Il a perdu l'État de Lagos. Ça dit aux élections. Peter Obi a gagné. Non, ça dit, il était gouverneur. Je comprends. Oui, il a dirigé pendant l'État. Voilà, il a perdu. Voilà, de la mhm. même façon que euh, l'autre a perdu Kaduna aussi, parce mhm. que c'est un truc qui a gagné. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis sceptique par rapport à la l'élection sécuritaire par Bola mhm. Pourquoi Parce qu'on avait un militaire, enfin, un ex-militaire, un ex-général, mhm. qui n'a pas pu gérer. Il y a des civils qui arrivent, mais qui arrivent à gérer correctement les questions sécuritaires. C'est compliqué, compliqué la question du Nigeria. C'est très compliqué. Il a, il a d'abord, c'est un Yoruba, c'est vrai, musulman, n'est-ce pas Et puis, pratiquement, il n'est pas de la zone qui est confronté à ce phénomène-là. Mhm. Alors que lui, Bouhari, il était même de la zone qui est confrontée à ce phénomène. Mhm. Parce que lui, c'est de la, zone la zone Yoruba. Mhm. C'est pas, c'est pas le Nord. Vous comprenez? Et donc, Bouhari même n'a pas pu gérer. On est dans un pays, c'est oui, nationaliste. Non, mais c'est très, compliqué, c'est très compliqué. C'est comme si quelqu'un qui a à ne peut pas maîtriser pas ça, la, situation. C'est pas la, même chose. Moi, je te fais la différence entre un militaire un ex-militaire qui a géré la situation, mhm. et puis quelqu'un qui n'est pas militaire, oh, qui vient, et qui a le, défaut mhm. d'être quelqu'un de fatigué aussi. Mhm. Donc, euh, euh, j'attends de voir. Mais concernant les relations avec le Niger, moi, je ne pense pas qu'il y ait des grands changements, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez sage. Et il a des bras droits de Maïdougouri. Oui, Oui, mais il a des bras droits de Maïdougouri. Mais bon, enfin, je, souhaite qu'il réussisse hein. à mieux gérer cette question sécuritaire-là. Mais là où un militaire a échoué, en tout cas, c'est de l'intérêt de tout le continent. Il faut donc euh, terminer ce forum euh, de la presse euh, avec justement cet aspect sécuritaire qui est également abordé à travers la visite du président français Emmanuel Macron en Afrique euh, centrale cette euh, semaine. Après avoir euh, présenté le lundi 27 février à l'Elysée les orientations de sa politique africaine pour les prochaines années, Emmanuel Macron est en tournée du mercredi 1er jusqu'au samedi prochain, donc une tournée de quatre jours au Gabon, en Angola, au Congo, Brazzaville et en République démocratique du Congo, RDC au CNSA que sait-on davantage euh, de cette tournée d'Emmanuel Macron en Afrique temps, Ça suscite beaucoup de remous dans ces pays-là, mhm. n'est-ce pas oui, mais il ne vient pas en Afrique. Non, mais, non, mais, c'est les pays qu'il va visiter là, n'est-ce pas Quand il prend le Congo, quand il prend, comme avait dit, le Gabon, mhm. et quand il prend, et comment on appelle euh, le L'Angola euh, Voilà, bon, mhm. l'Angola, peut-être c'est un pays un peu lusophone ou quelque chose comme ça, mais c'est les pays quand quand tu regardes ces pays, peut-être en dehors de l'Angola, c'est des pays où c'est des dinosaures qui sont à la tête de ces pays. Des gens que la France a maintenus délibérément des années durant, qui mhm. ont été, on voit tout à l'heure quand j'ai parlé des élections, on a vu comment ils sont restés pendant longtemps, comment on les maintient au pouvoir, n'est-ce pas Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol général par rapport à la France, par rapport à la France-Afrique. Ce n'est pas contre les Français, mais c'est contre la politique qui est menée. Mhm. Aujourd'hui, on a vu, on a entendu ce qui se passe dans ces pays où il y a des manifestations pour dire non à l'arrivée de, comment on appelle ça, de Macron. Il a prévu, en tout cas, ça a été entendu lundi dernier, une réduction au niveau même euh, de la présence militaire en Afrique. Tout ça, tout ça. Il a annoncé que il va aider les États africains à gérer. À co les bases. Voilà, donc il y aura une, tout à ce niveau. Non, laisse tomber. Mm-hmm. Quelle congestion ça, regardez, ça ne sera plus des bases gérées parce que certains Africains avaient dit que l'accès même à ces bases était interdit. et mais même ici, c'est ça la difficulté. Moi, Donc là, quand parle de co-gérer, ça veut dire qu'on a l'impression qu'il Ça signifie quoi On va gérer ensemble. C'est ça, c'est le discours. Mm. C'est le discours, c'est un peu le narratif, ça. Ça a été une politique plutôt contre-productive. Maintenant, comment rectifier le tir mais c'est déjà parti, c'est déjà et comment avait dit, parce que les gens sont fatigués de cette attitude paternaliste. Mhm. Ou considérer que les enfants sont toujours des enfants, il faut être là derrière. Non, c'est pas une affaire. Aujourd'hui, les gens, après plus de 100 ans d'indépendance, les gens savent on a plus l'impression que c'est cette politique qui est en train de maintenir ou de tirer mhm. les pays en tout cas qui sont un peu les ex-colonies de, la mhm. France, qui tirent ces pays-là vers le bas. Mhm. C'est une politique où il y a Hussein, le même Macron, il a dit que, en tout cas, l'Afrique n'est pas un pré carré Mais est-ce qu'il n'y a, pas une prise de conscience Est-ce que les gens ne se mobilisent pas dans des pays pour leur dire il faut qu'ils s'en aillent mhm. Mais alors, regardez un peu ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est les moyens aériens. C'est les moyens aériens, c'est la meilleure façon d'en finir rapidement. Mais et ils ont les moyens aériens. Mais quand il y a des attaques, moi j'ai dit, c'est a une véritable coopération. Le temps que ceux-là qui sont venus attaquer une position là, le temps qu'ils se dispersent, ils vont tous être décimés. Mais alors, vous venez, vous avez les moyens aériens, mais vous considérez que ça coûte cher de les faire voler. Mais alors, ça sert à quoi Il y a donc insuffisance de résultats. il faut que ça mhm. Ça soit clair. Moi, je suis convaincu que cette affaire-là, des individus en moto qui circulent dans, dans la savane, qui vont, ils viennent, ils s'en à des positions, qui font la loi. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde. On n'a pas besoin d'être militaire pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que ces gens qui se déplacent pour attaquer des villages, qui se déplacent pour attaquer des positions, des, convois militaires, c'est des gens, quand il y a des moyens, je dis pas qu'ils peuvent pas, ils peuvent toujours attaquer, mais c'est échapper. Ils n'auront pas le temps d'échapper. Merci beaucoup. Et en tout cas, Macron a promis de respecter cette coopération et de faire en sorte que les aspirations des pays africains soient prises en compte. Il a parlé de l'avenir de la jeunesse et les problèmes de développement en réalité qu'attendent les Africains de cette coopération avec l'Hexagone. Espérons d'abord qu'il dit vrai. Mhm. Parce que, en fait, on a vu combien de fois il parle, il dit il va changer sa politique, il va sécuritaire, il va aider les pays africains, mais rien n'est fait jusqu'ici. Mm-hmm. Donc ça veut dire que de la même manière qu'il a sillonné l'Afrique de l'Ouest, la même manière, il est en train de sillonner l'Afrique centrale aujourd'hui pour pouvoir les convaincre. Et aujourd'hui, l'Afrique centrale, pourquoi moi je me dis Parce que les, les, les populations de l'Afrique centrale en ont marre, ras-le-bol de voir que c'est à l'éternité qu'il y a des présidents qui sont là-bas à l'éternité et qui ne bougent pas, qui ne font rien et qui observent euh, en train de, la France en train de dépouiller, en tout cas, les richesses, les richesses minières. Mhm. Ça veut dire que. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'en juillet 2022, il était euh, au Cameroun, puisque c'était justement en Afrique centrale après euh, sa réélection. en Afrique de l'Ouest. Mhm. il a essayé de, de, de distraire les gens mhm. de l'Afrique de l'Ouest par rapport à sa politique de changement, de coopération, et qu'il voit que <laughs> <laughs> en Afrique de l'Ouest, les gens ont, un peu compris, ces populations ont un peu compris ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de ces populations. Maintenant, il faut aller conquérir l'Afrique centrale. Hmm. Parce que l'Afrique centrale aussi, c'est les mêmes remous. C'est-à-dire qu'il y a des pays, quand on regarde la, hmm. Centrafrique, Centrafrique, là, depuis combien hmm. d'années Ce pays-là est en guerre depuis combien d'années Aujourd'hui, quand on regarde le euh, Congo, euh, la RDC, aujourd'hui, c'est des milices. C'est des milices qui affectent la moitié, la, à peu près euh, le nord de ce pays. Mais aujourd'hui, quelle est la stabilité Quel est le confort stabilité que la France peut amener à ces pays-là Parce qu'il y a des mouvements qui se passent pour dire non, on n'est pas d'accord pour que Macron mettre pied dans notre pays. Mhm. Mais que si on a vu les images, on a vu les images. C'est parce que il est en train de sauver ce qui voilà, faut sauver. En dernier, on l'a dit, il était déjà en Afrique après sa réélection pour son deuxième mandat. Il a fait le Cameroun, le Bénin, la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il revient en Afrique centrale. Mais tous les Africains se sentent en réalité concernés par euh, cette <laughs> visite parce que euh, les rapports avec la France euh, englobent tout le continent. Et alors aujourd'hui, quelles sont ces attentes des Africains par rapport à cette coopération Moi, je pense que mhm. Macron a, pris en compte toutes les attentes des Africains dans le discours qu'il a fait la veille mhm. de son départ. Le lundi. Mhm. Parce que ce discours-là, il ne faut pas qu'on pense qu'il est fait uniquement pour les pays d'Afrique centrale qu'il va visiter. Non, non, non. C'est un discours sur la politique de la France à l'endroit de l'Afrique. Mhm. Et quand il a très bien dit. Très bien dit. Mhm. C'est-à-dire que la France dit, voilà, d'abord, moi, ce que j'ai remarqué, c'est l'esprit d'humilité du président Macron. Mhm. On a constaté. L'humilité. Il a parlé de respect. mutuel. Même les entreprises, les sociétés qui viennent en Afrique, il les a er- interpellés. La reconnaissance des erreurs commises, des erreurs de stratégie. Il dit, il a parlé même des objets volés. Des objets volés qu'il faut ramener, voilà, qu'il faut restituer. Il faut faire Donc pour moi, c'est un discours assez révolutionnaire. Pourquoi hmm. Parce que vous avez un président français qui était déjà quelqu'un de, très décomplexé par rapport à plusieurs sujets, hmm. par rapport à la guerre d'Algérie, par rapport, par rapport, il était très décomplexé. Et là, et encore, il dit le passé là, hmm. c'est le passé. Et la politique de, prédation là, c'est fini ça. La France-Afrique c'est terminé. Aujourd'hui là, L'Afrique a besoin d'un partenariat d'égal à égal. Est-ce que c'est la réalité sur le terrain non, Et écoutez, est-ce qu'il faut des engagements considérer qu'il a pris. que ça va être vrai, comme on dit Non, moi, je n'ai pas, pas, une boule de cristal pour savoir de quoi l'avenir sera fait. Mhm. Mais est-ce que les Africains doivent rester optimistes par rapport à... Non, Parce que pas, disait moi... disait c'est pas la première fois qu'on entend des discours écoute-moi très bien, Écoute-moi mhm. très bien. Mm a fait un discours le 27 avant de partir en Afrique centrale. Mhm. Et ce discours-là est dirigé vers tous les pays du continent. Bien sûr. Il, détaille la stratégie de la France, où il dit Vraiment, nous souhaitons, j'ai vu dans le discours, nous souhaitons, c'est un mhm. souhait, n'est pas qu'il veut imposer, mhm. il souhaiterait entretenir un partenariat plus respectueux des valeurs des pays, n'est-ce pas mhm. Tout en reconnaissant que la France, en tant que puissance économique et puissance euh, nucléaire et puissance mondiale, cherche aussi à... Il dit, on va rentrer dans la compétition avec des pays qui sont déjà là. Il parle de la Chine, qui vient, de la, Russie, de la hein. Turquie, de l'Inde. Il dit, on va aller, c'est pas qu'on va leur faire la guerre, on mhm. va aller dans la compétition. On On va plus considérer que c'est un précaré, mhm. que les pays que nous avons colonisés là, c'est notre droit. Il dit non, non, non, non, non, Ça, c'est une mauvaise politique, c'est une erreur. Il dit, on va aller contre. Ça a été souvent dénoncé par des acteurs qui disent que la France pense être merci, conquise. Merci, merci. Donc, Et il dit, on va aller, mhm. on va aller comme tout le monde on va aller proposer des choses. Négocier. Négocier des choses contre le monde. Et donc, c'est c'est en cela que ce discours-là, mhm. pour moi, est un discours révolutionnaire. ça donne moi, de l'espoir, ça Moi, pour moi, non, c'est pas que j'ai dit que ça donne de l'espoir. J'ai dit, il faut le, j'ai dit, moi, je le prends au mot et mm. moi, j'ai constaté un changement mm-hmm. au niveau de la rhétorique. J'ai constaté parce que on n'a jamais vu ça. Mm-hmm. Un président qui vient qui. En tout cas, c'est nouveau. Ah, non, ça a été diffusé en direct euh, sur France 24 et sur RFI. Euh, c'est un discours en tout cas dans lequel on a de l'humilité. On a de l'humilité, on le sent. Et, il parle moi, je le dis. Mm-hmm. Parce que sur les réseaux sociaux, en fait, Hussein veut dire un mot parce que nous sommes au terme de ce forum. Garé. Non, c'est vrai. Moi, je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Macron fait partie, après Sarkozy, des présidents français qui ont beaucoup plus de difficultés. Parce que de plus en plus, la jeunesse africaine a pris conscience, ce n'est plus la jeunesse où on venait discuter avec les chefs d'État. Mhm. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Quand il dit, je vais aller en compétition, mhm. il raconte sa vie. Il est déjà là, sur place, implanté, depuis, depuis, mhm. depuis. Si à travers les compagnies extractives, les ressources. C'est pas de son fait que les partenaires... Ces compagnies, il a attiré leur attention sur le fait qu'il faut avoir une obligation de résultat et que s'ils ne font pas un bon travail, il faut respecter le terrain. Moi, je ne dis pas que tout ce qu'il a dit il va le faire, on va voir. mais moi, en tout cas, je, vais changer, changement. Je veux qu'on soit réaliste. c'est dans nos pays, quand tu, parle parles de jeunesse, si dans nos pays, la jeunesse est dans une situation de précarité, c'est du fait de la politique dictée par la France au pays, les pays, le, pays colonisés. Mais il dit que c'est Mais, ça, mais, voilà. mais quand en fait, dit, dans son discours, on a l'impression qu'il veut annoncer la fin de tout cela. et il a parlé, c'est l'expression précarée. Ça, veut dire ah, que non, avant même quand il est arrivé, quand il était arrivé, dès le départ, il avait dit que lui, il va mettre fin, il a mis fin à France-Afrique, ça va être un rapport de mm-hmm. partenariat gagnant-gagnant. N'est-ce pas Merci beaucoup. Merci à vous, chers confrères. Et nous sommes au terme du forum de la presse de ce vendredi 3 mars 2023. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos trois confrères. Maïmoune Gado, journaliste indépendante. Hussein Issa, journaliste indépendant également. Gary Amadou, journaliste euh, au quotidien Mouria et La Nation, à la modération du Forum de la presse euh, de ce soir. Je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Amina Hassan et Sein Isaka. Excellente soirée à toutes et à tous et bonsoir.